le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum Auditeurs, auditrices du studio Kalangou, bonsoir, bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du forum de la presse d'aujourd'hui, la mésentente entre acteurs de la société civile concernant l'adhésion de certains membres à des regroupements politiques. La dernière en date, c'est celle qui oppose les leaders du cadre d'action citoyenne des, acteurs de la société civile à certains membres signataires de la création du Front démocratique et républicain. Par ailleurs, la révolution démocratique d'Abdul Moumouni Ousmane s'est retirée du Front patriotique et républicain, structure créée il y a quelques mois à Niamey et qui regroupait le, cadre et des partis politiques tels qu'MPN Kassa et MDR Tarna. À suivre dans ce forum l'analyse de nos confrères sur ces questions. Autre sujet, l'obligation de porter le casque et la ceinture de sécurité mise en exécution le 1er octobre et qui soulève beaucoup d'interrogations. Il s'agit par exemple de la défaillance du transport urbain qui oblige beaucoup de pères de famille à transporter femmes et enfants sur une même moto. Sur un tout autre plan, Felipe González Morales, c'est le rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, ce dernier a déploré les conditions d'expulsion collective des migrants de l'Algérie vers le Niger. Faux a rétorqué l'Algérie qui accuse Gonzalez d'avoir pris pour argent comptant la version des migrants. En sport, après des mouvements d'humeur pour exiger de meilleures conditions, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA, est partie finalement en Tunisie cette semaine. Elle affrontera l'équipe tunisienne dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2019 prévus se tenir au Cameroun. Est-ce que des leçons ont été tirées de la dernière expérience avec l'Égypte à suivre la réponse de nos confrères et leur analyse sur les conditions dans lesquelles le MENA est parti en Tunisie ainsi que son niveau de préparation. Pour discuter de tous ces sujets, nous sommes avec nos confrères Issa Maroumadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa. Bonsoir Alassane. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé, bonsoir. Bonsoir. Et Roufaï Dandoua, journaliste sportif. Bonsoir Roufaï. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous débutons ce forum par la décision de la délégation spéciale de Niamey sur la sécurité routière il y a 12 jours que la mesure portant obligation de porter le casque pour les motocyclistes et la ceinture de sécurité dans les voitures entrée en vigueur. Au sujet des accidents de la circulation, le service des urgences chirurgicales de l'hôpital national de Niamey a fait une note dans laquelle elle fait constater une baisse des accidents, une baisse de traumatisme crânien en une semaine. Ainsi, le service des urgences précise qu'il a enregistré 184 185 cas d'accidents de la voie publique, dont 44 traumatismes crâniens du 23 au 30 septembre contre 109 cas d'un deux traumatismes crâniens du 1er au 7 octobre. Alors, euh, Issa Mourmadougou de la télévision, de la radio et télévision Ténéré, quelle appréciation vous faites de ces chiffres qui montrent une incidence du port de casque sur le nombre d'accidents et le nombre de traumatismes crâniens est-ce que c'est ce que j'aimerais savoir Est-ce que c'est les services d'urgence qui ont dit que c'est le port de casque ou de la ceinture qui a eu l'incident sur la réduction Et puis se pourrait que c'est la période. Est-ce que les conducteurs de Niamey, ce sont d'autres personnes qu'on a amenées qui circulent les usagers ou bien ce sont les mêmes Mais écoutez, néanmoins, de toutes les façons, on, ne peut que apprécier. Si mm. on a moins ce qu'on on va apprécier cela, c'est une bonne chose. Mais le problème à Niamey, il faut comprendre que nous sommes, désolés de le nous sommes insolents en circulation. À Niamey, on ne respecte rien qui relève du code de la route. Donc c'est là-bas qu'il faut corriger. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui portent la ceinture de sécurité dans des véhicules ou bien qui portent le casque sur des motos, mais qui roulent à grande vitesse. On dirait qu'ils sont en pleine course ou qu'ils sont en train de courir pour aller prendre un trophée. Nous ne sommes pas sur les pistes euh, de Formule 1. C'est ça aujourd'hui qu'il faut essayer, le respect du code de la discipline alors. et effectivement, il y a cela. C'est ce qui fait en sorte qu'on a le nombre élevé d'accidents. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai vu un cas d'accident devant la gendarmerie, un enfant qui était gravement blessé. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a l'excès de vitesse parce que ça ne s'est pas déroulé devant moi. Mm. Mais quand même, s'il y avait le port de, du casque, ça aurait pu éviter à l'enfant ce traumatisme. Alors vous êtes d'accord que non, y le casque peut contribuer, le casque peut avoir un, mais il faut pas automatiquement dire que sur le casque, c'est le code de la route qui pose problème aujourd'hui. Parce que là, le constat qu'on fait euh, à partir de là, on a 44 traumatismes crâniens qui, ont été dénombrés euh, du 23 au 30 septembre et à partir de l'entrée de en vigueur le premier, entre le 1er octobre et le 7 octobre, ces deux traumatismes crâniens. Il y a une, question, qui peut surgir. Est-ce qu'il y a une période pic d'accident il n'y en a pas. Donc, de toutes les façons, moi je dis globalement, on ne peut qu'apprécier s'il y a une réduction. Mais quand même, il faut faire aussi le travail sous le respect du code de la route. Bien. Euh, Rufai Dandoua, c'est votre point de euh, vue. Euh, quoi qu'on dise, les statistiques sont implacables, comme on dit. Quoi. Si de la date du début à aujourd'hui, on a fait un de compte et on s'est rendu compte qu'il <clears throat> y a une baisse, c'est un mieux. Moi, j'ai toujours dit que le, le conduire, c'est quoi Ou le code de la route, c'est quoi C'est le bon sens. Tu peux par exemple venir et c'est toi qui as la priorité, mais lorsque tu te rends compte qu'il y a l'autre qui, qui, qui, a déjà engagé, le bon sens veut que tu le laisses passer. Or, il y a le manque de bon sens qui, caractérise eh, la population ici à Niamey et il y a aussi l'intolérance. C'est pour ça que des fois on a trop d'accidents. C'est vrai que si la mort vient, tu as beau mettre le, euh, un, casque ou tu as beau mettre la ceinture de sécurité et ça va venir. Mais je pense que moi, tout à l'heure, en venant, j'ai vu tout le monde dans sa voiture avec la ceinture de sécurité. J'ai dit, ah, euh, il a fallu juste qu'on qu'on soit dur avec les gens pour qu'ils portent, alors que c'était pour leur sécurité. Moi, c'était devenu pour moi, personnellement, un réflexe. Dès que je mm. rentre dans la voiture, je n'ai pas attendu que... Eh, les policiers... qu'on me dise, il faut mettre... Non, non, pour moi, c'est juste un puisque je savais que lorsqu'on l'a, mise, la ceinture, dans une voiture, c'était pour quelque chose, il fallait la mettre. Mais bon, on est, on est têtu, on est comme ça, les Nigériens. Vous allez voir dans, dans un mois, deux mois, les gens vont oublier ça ils vont passer à autre chose. Mais je pense que vraiment, c'est très important que les gens eh, portent la ceinture de sécurité et le casque aussi sur la moto parce que eh, les, petits, les petits accidents, ça t'évite au moins, comme Issa l'a dit, des blessures souvent des pas même et, le traumatisme mais même des petites blessures que tu as sur la tête ça, ou sur le visage. Des fois, ça, ça te gâte le visage, donc ce n'est pas bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose et c'est tout à l'honneur de, du maire, central, on dit, c'est tout à son honneur du délégué spécial. Oui. Gare Amadou c'est vrai, il faut tirer le chapeau au, président de la délégation spéciale pour avoir pris cette mesure salutaire parce que, je l'avoue, avant, je ne portais pas la ceinture. <laughs> Mais il faut dire que l'amende est quand même assez élevée pour ne ah, pas. Bah, mais c'est assez dissuasif. Dès que je sors, avant de sortir de ma maison, dès que je la voiture, je mets, je dis à madame, il faut mettre. Donc, euh, parce que 25 000, je crois, non ça, va de 10 000 à 50 000, le Donc c'est assez dissuasif. Mm. Et c'est pour cela que vous voyez que tout le monde, nous mettons tous. Donc c'est une très bonne chose. maintenant, euh, concernant la baisse des... Des, chiffres concernant les accidents, il y a, y a, deux facteurs. Hein. Mm-hmm. Euh, euh, il faut savoir aussi que beaucoup de motos ont été saisies. Mm-hmm. Et la plupart du temps, ceux qui sont à la base des accidents, c'est ceux qui n'ont pas le souci d'être à règle concernant les pièces, l'assurance, etc., etc. Vous comprenez ouais. Et ce sont ces motos-là qui ont été saisies. Apparemment, ce sont ces motos-là qui n'ont pas de papier qui sont à la base pratiquement de beaucoup d'accidents. Parce que ceux qui ont le souci de se mettre à règle, la plupart du temps, ils sont soucieux à, dans le cadre du respect des codes de la route. Vous comprenez hmm. Donc, je pense que c'est un détail qui a joué. Et, il y a aussi effectivement le port du casque. Hmm. Parce que euh, euh, les motos qui ont été saisies, ce sont les motos des gens qui n'ont pas de casque ou qui n'ont pas d'autres documents. Et donc, ceux qui circulent, ce sont des gens qui ont des casques. Donc, même s'il y a des accidents, comme l'a dit ou comme l'a dit euh, Issa, l'effet est assez réduit. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de blessures, mais les traumatismes crâniens sont en tout cas assez réduits. Mm. Et c'est pourquoi j'ai dit il faut vraiment que l'on continue dans ce sens-là. Il faut sensibiliser les gens d'abord à continuer à porter le casque parce qu'on a l'habitude de voir, au bout d'un certain moment, les policiers relâchent et puis tout le monde revient et puis tout le monde aux, anciennes vous habitudes. Voilà, les anciennes habitudes. Il faut que les policiers soient intraitables concernant le, port de la ceinture et le port du Dans la durée. Voilà, dans la durée. Que ah, les gens ah. respectent vraiment le code de la le route. Code de la route Parce que à quoi mm. ça sert de porter le casque et arriver à un panneau de stop et ne, pas s'arrêter C'est juste. Et c'est ça. Il y a aussi déjà que Agadez a, pris le pas, c'est déjà une bonne chose. Mais ce que j'ai aimé, même si c'est de la communication, c'est quand même important, c'est que le délégué spécial de la ville de Niamey était sorti la dernière fois, je crois, avec euh, les, policiers municipaux pour essayer de voir lui-même comment ça se passe. Et, en fait, en plus de la dissuasion, il y a aussi la sensibilisation. C'est très important qu'on fasse ça, puisqu'on l'avait rappelé ici, je me rappelle qu'il ne s'agit pas toujours de réprimer, mais il faut aussi sensibiliser, les gens. Alors, euh, la mesure de port de casque et de ceinture englobe aussi euh, une autre question, notamment le nombre de personnes à, à, remorquer sur une moto qui ne doit pas dépasser deux, en tout cas dans cette mesure. Or, nous savons que certains pères de famille ont plusieurs enfants et n'ont d'autre choix que de les transporter <laughs> sur la même moto pour <laughs> l'école. Alors, cette question, quelles sont selon vous les, mesures alternatives que l'État peut euh, envisager afin de soulager les pères de famille obligés de transporter leurs euh, enfants euh, sur même, sur un engin c'est vraiment une, euh, La question des transports urbains, interurbains. C'est vraiment une très bonne question et peut-être qu'ils auraient dû penser à, cela. Mais j'ai toujours condamné, je ne sais pas moi, mhm. je ne sais pas si c'est parce que j'ai une voiture, mais j'ai toujours condamné <clears throat> le fait de voir un père de famille qui prend sa femme sur la moto et qui prend deux ou trois ou quatre de ses enfants sur la même moto. Je pense que... Rufa, si ses enfants sont dans la même école et qu'ils... Ce n'est pas, une question d'école ou de ne pas euh, être à l'école. Imaginez qu'un accident arrive. Toi, tu es là, toi, ta femme, tous tes enfants peuvent être décimés juste parce que tu n'as pas été... Et, euh, quoi, par insouciance, parce que pour moi, c'est une insouciance, quoi peut-être qu'on peut trouver eh, un, taxi à avoir. Mais maintenant, pour revenir à ta question, je pense que c'est très important. Par exemple, qu'il y ait le transport urbain. Il y en avait un moment. Il y avait le, le, euh, il, y avait, il y en avait beaucoup, mais je ne sais pas comment ça s'est fait. Aujourd'hui, on, on ne les voit plus qu'est-ce qui s'est passé, il y avait une mauvaise gestion, mais je pense que eh, ça doit eh, s'accompagner de mesures pour essayer de, trouver des solutions à ce genre de problème. Garé Amadou Oui, il faut dire que je suis d'accord avec Rufai. Oui, je suis, d'accord avec Il n'est pas... Ce matin, j'étais de la circulation. Je vois, je vous dis, un, monsieur qui était à moto, il a un enfant apparemment de 5 ans devant lui, un autre derrière lui qui l'a attrapé hmm. dans la circulation de Niamey. Ah. Non, franchement, je trouve que c'est assez, assez horrible comme situation parce que moi, c'est pas lui que je vois. Mais lui, il peut partir. Non, mais c'est les enfants qui doivent quand même, accomplir quelque chose dans la vie. Lui, il a presque fini, je, suppose. Bon, il n'a pas fini, mais je ne sais pas. Mais eux, les enfants, quand même, ils doivent, ils doivent, doivent se soucier. Mm. Pour moi, c'est pas normal de prendre plus de deux personnes sur une moto. Vous comprenez Ce n'est pas normal et c'est vraiment, on doit lutter comme ça. Mais comme il l'a dit, ce qu'avant de prendre cette mesure d'interdiction-là, il faut réhabiliter le transport urbain. Parce que aujourd'hui c'est un problème. Mm. N'est-ce pas Il faut faire en sorte qu'il y ait assez de, de, de, En tout cas, les taxis ne suffisent pas à Niamé. Il n'y a pas les, les, les AD d'État qu'on voit à l'intérieur du pays mm. qui facilitent la vie à beaucoup de. Il n'y a pas ça ici. Et la moto n'est pas une solution parce que la plupart du temps, ceux qui sont sur les motos là qui font du cabou-cabou, ce sont des chauffards qui ne respectent aucun code de la route. Je pense qu'il faut que la communauté urbaine puisse réfléchir à réhabiliter le transport urbain afin de soulager ces pères de famille là qui sont en train souvent de transporter. C'est vrai, comme vous l'avez dit, ce n'est pas par plaisir, mais je trouve que on a toujours le choix. Le choix. Oui, on a toujours le choix parce que je pense que c'est parfois. Être à l'abri du danger. Non, mais parfois c'est par, tout simplement par pingritude qu'on décide. Non, on peut prendre un taxi. C'est 25 000 francs pour, pour, les enfants, pour les amener chaque jour à l'école. Euh, Quand même. Il y a tout. Il y a, Issa Madougou. <laughs> Ça dépend aussi s'il y a les Issa, Issa <laughs> Parce que les gens n'ont pas les mêmes euh, poids pouvoirs financiers. Donc c'est ça un peu le problème. Mais moi, je rejoins un peu l'idée selon laquelle il faut renforcer le transport urbain. Parce que la disparition de ces sociétés aujourd'hui a fait en sorte que Niamey souffre aujourd'hui d'un problème. Et ce problème, il est pratiquement difficile de se déplacer à Niamey. Même si vous voulez emprunter le taxi, euh, pour faire, par exemple, euh, à part du, je prends l'exemple du Grand Marché, pour aller euh, dans un quartier comme celui-ci, et Bobiel, il faut, il faut avoir 500 000 francs. Donc, voyez-vous un peu, ce n'est pas à la portée de n'importe qui connaissez un peu la situation morose euh, que nous vivons. C'est vrai qu'il y a les Faba Faba qui. Non, les Faba Faba, c'est vrai, ça ça suffit pas. Niamey est une grande ville qui vraiment qui connaît une urbanisation intensive. Donc il faudrait que le transport suit également l'évolution de la ville. C'est pour cela, mais moi, selon certaines euh, euh, que j'ai écoutés, qui ont dit que non, est-ce que ça serait facile du, moment où il y a un lobbying des taximans qui faisait en sorte que euh, les transports Faba, en sorte qu'il n'y ait pas de transport parce qu'il y a des privés qui ont voulu proposer cela. Mais ça a échoué. Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, il est de l'intérêt des de, que la ville de Niamey réfléchisse par rapport à cette problématique pour trouver vraiment une solution. J'ai vu à Ouaga, ils ont réhabilité la société mhm. chargée euh, du, transport. urbain. Et même, les, voies sur les goudrons, ils sont en train de mettre des peintures pour il, dégage, un peu le passage. juste, un, une phrase, je pense que qu'on le voit dans, les films, les, bus school On peut faire en sorte que chaque école ait un bus ou deux pour qu'il euh, y ait un endroit où les gens vont venir. Et Comme pour les étudiants. Oui, on les prend et on les ramène. c'est les pères de famille doivent Voilà, c'est ça qu'on fait aux enfants. Voilà, les, pères de famille déboursent quelque chose. Bien, nous passons, nous passons au second sujet. Je le disais tout à l'heure, Felipe Gonzalez c'est le rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants. Il a déploré mardi à Niamey les conditions d'expulsion collective des migrants vers le, Niger, vers González avait mené la semaine dernière des visites dans les centres des réfugiés et des camps de migrants au Niger. Le rapporteur spécial présentera un rapport de mission détaillé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en juin 2019. Mercredi, le ministère algérien des Affaires étrangères a, dans un communiqué, rejeté globalement et dans le détail les, les assertions du rapporteur spécial de l'ONU. Par ailleurs, dans le communiqué de l'Algérie, exploité par l'AFP, l'Algérie s'indigne aussi contre le représentant de l'OEM dont le bureau au Niger a changé de vocation, je cite, alimenter et entretenir depuis deux mois une campagne de désinformation contre l'Algérie. Alors, Rufai Dandoua, comment avez-vous apprécié ces différentes déclarations du rapporteur spécial des Nations Unies et sur les droits de l'homme des migrants et celle de l'Algérie. Il est un pour personne que depuis, on en a parlé plusieurs fois même sur ce, sur ce plateau, et que l'Algérie envoie euh, tout, la, peau noire et au Niger, on en a parlé plusieurs fois. La dernière fois, j'ai vu, je crois, une, euh, une image qui m'a choqué, une image qui a fait le tour du monde d'une jeune fille nigérienne, je crois, c'est sur les réseaux sociaux, qui était euh, cachée sous une table avec son enfant qui a peur d'être expulsé et euh, de l'Algérie. C'est pour vous dire que euh, c'est normal qu'ils réagissent ainsi. Mais dans tous les cas, ça, ça ne se cache pas. Cette question de migration, aujourd'hui, on, l'avait dit, ça nourrit beaucoup de gens. C'est une source de, financement ou d'enrichissement importante pour beaucoup de gens que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, euh, ça ne va pas changer. quand, par exemple vous voyez un peu partout dans tous les quartiers des, des différentes nationalités à, auxquels on prend des maisons et qui aujourd'hui font des commerces euh, de tout genre. Je pense que c'est vraiment pathétique ce qui se passe et je pense qu'on doit prendre des solutions draconiennes pour que le Niger ne soit pas, comment on dit, et voilà voilà justement voilà merci pour le, euh, euh, euh, Amadou comment est-ce que vous vous avez apprécié ces, déclarations en tout cas pour une fois au moins une, une voix autorisée on peut dire un rapporteur spécial des Nations Unies à lever la voix contre cette pratique, notamment d'expulsion vers le Niger. Finalement, cela a fait réagir les Algériens qui n'ont pas, en tout cas, apprécié cela. il faut, il faut que les Algériens arrêtent de jouer au scandalisé. Euh, je trouve que leur comportement euh, n'est pas, pas digne. On sait très bien comment les Algériens se comportent concernant les communautés noires qui vivent sur leur territoire, qui les expulsent. C'est-à-dire qu'on n'expulse pas seulement les, Nigériens qui, sur le territoire national. Hein. toutes les communautés l'Algérie les prend et les déverse sur le territoire nigérien. Est-ce que c'est normal est-ce que nous sommes obligés Est-ce que nous sommes obligés de recevoir tout le monde Et ce que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a, dit, mais le ministre de l'Intérieur l'avait dit il y a quelques mois de cela. Vous rappelez-vous son coup de colère mmh. Mmh. quand il avait protesté contre le fait que l'Algérie est en train de déverser sur le territoire nigérien des, citoyens, enfin, de, de l'Afrique de l'Est qu'elle considère comme indésirable. Le ministre de l'Intérieur avait protesté. Il y avait une réunion du comité paritaire entre le Niger et l'Algérie quand Bazoum était parti en, Algérie où Bazoum a dit les 4000 vérités aux Algériens. Donc les Algériens, il ne faut pas qu'ils cherchent à accuser l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU comme si c'est lui. Non, le Niger même avait protesté. Et ce que l'OIM fait, parce qu'ils disent que non, euh, l'envoyé spécial du secrétaire a pris seulement l'avis des, des migrants. Non, ce n'est pas l'avis des migrants. Le Niger même, j'ai dit, avait protesté. Et la plupart des pays sont en train de protester concernant le comportement de l'Algérie. Donc, mmh. qu'ils arrête de peu les scandaliser et qu'il crée créent les conditions je crois que de gestion de ces migrants-là ou d'expulsion plus humaine, parce que parfois, ce sont des gens qu'on amène au niveau des frontières et qu'on lâche comme ça. Et c'est surtout ces aspects, c'est cet aspect du droit de l'homme. Mais, mais c'est extrêmement important. L'Algérie, méprise royalement les droits de des migrants. et les amène à la frontière, je vous dis, les lâche parfois dans le désert. Et c'est le Niger qui est obligé, avec, en collaboration avec l'OMM, de récupérer et de gérer ces migrants pour leur rapatriement. Est-ce que c'est normal ça Et puis après, vous venez, vous faites les scandaliser comme si vous êtes, vous, êtes, vous êtes, vous êtes correct avec les migrants. Non, vous n'êtes pas correct. Alors, Issa Mormadou de la radio-télévision Ténéré. Écoutez, moi j'ai apprécié la méthode de travail du rapporteur euh, onusien parce qu'il faut aller à la base pour chercher l'information. Il s'est entretenu avec les migrants et les migrants, je ne vois pas pourquoi les migrants vont lui mentir. Ils vont décrire leurs conditions. Ils sont lâchés. D'autres ont marché dans le désert près de 23 km pour arriver à un point. Euh, euh, où ils peuvent être secourus. Donc, voyez-vous, l'Algérie, j'ai lu, j'ai parcouru un peu le communiqué du. Mais ce qui m'a un peu tiqué, c'est que l'Algérie continue à dire qu'ils ont une entente avec le gouvernement nigérien. Et c'est là que le gouvernement nigérien a failli. Il faut que le gouvernement nigérien sorte pour nous dire clairement pourquoi l'Algérie insiste Le genre d'accord qu'il y a, entre, eux Quel type d'accord il y a De quel accord il parle pourquoi ils disent que non, eux, ils ont, ils ont une entente avec le Niger pour expulser mhm. Et ce qui est déplorable, ce n'est pas seulement des gens qui sont en situation irrégulière qu'ils expulsent de leur mhm. territoire. Hein. Il y a des gens qui sont établis sur le territoire algérien depuis des années, qui ont fondé des familles. Qui ont des droits de travail. Qui ont le droits de travail, mhm. évidemment. Même le rapporteur de, de l'ONU a dit qu'il a rencontré des gens qui ont vécu des années là-bas, qui travaillent dans le légal qui ont été expulsés et de quelle manière On vient, on s'introduit dans leur maison, on les prend sans le laisser le temps de ramasser quelques bagages. Non, non, on les prend, on les met dans des véhicules, on les amène à la frontière, on les relâche, on dirait que ce sont des animaux. Voilà des situations que moi je suis d'accord que ça devrait interpréter la communauté internationale par rapport à cette attitude. D'un côté, il faut que le Niger aussi, notre gouvernement, soit honnête avec les citoyens nigériens pour que nous comprenions qu'est-ce qui se passe dans la gestion de cette migration. Parce que ici même à Niamey, aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont logés dans des villas. La dernière fois, quartier hum. Partout, oui. les quartiers. À oui. On a vu des gens, des jeunes migrants qui, ont, qui sont logés ici au niveau du quartier d'Arsam qui se sont révoltés, qui ont commencé à jeter des pierres contre les gardiens, les, agents de sécurité. Pour vous, il y a un devoir oh, oh, oh, d'éclaircissement oui, par rapport à la gestion de la migration et par rapport aux accords en Les Sud-Soudanais mm. qui ont manifesté devant les bureaux du de, HCR. Alors, de quoi il s'agit concrètement vous, savez, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. C'est comme euh, en Arabie Saoudite, nos parents qui partaient là-bas en exode. Chaque fois, ils savaient qu'on allait les rapatrier. Qu'est-ce que tu fais Maintenant, tous que tu as à la maison de Tu es euh, toujours, tout, tu toujours tout, avec toi. Ça a toujours été comme ça parce qu'on est des pays pauvres. Pour avoir un transport facile. C'est comme, comme disaient chaque fois les Français, la France, le Niger ne doit pas eh, accepter toute la misère du monde. C'est vrai, on est, on est, on est dernier, d'accord, mais on ne doit pas accepter aussi tout ce qu'il y a et eh, pour, pour nous rejeter au Niger. Garé, 10 euh, secondes. Oui, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut bien comprendre ce que l'envoyé le, spécial du secrétaire général de l'ONU a voulu démontrer, c'est que les migrants ont des droits. Ah Est-ce que vous mhm. comprenez mhm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher un pays de expulser des migrants qu'elles considèrent illégaux, mais il faut le faire dans la dignité, dans le respect des droits de l'homme, parce que quoi qu'ils soient, ils ont des droits et on doit les respecter. Et j'ai dit, eh, eh, eh, l'Algérie euh, continue à faire ce qu'elle fait, et bien les pays vont protester, Et bien le secrétaire général de l'ONU, son porte-parole, va faire un rapport et il va le soumettre. Tant pis pour eux. Bien je le disais en titre, euh, mésentente entre acteurs de la société civile concernant l'adhésion de certains membres à des regroupements politiques. Les leaders du CCAC, c'est le cadre de concertation et d'action citoyenne des acteurs de la société civile, et certains signataires de la création du Fonds démocratique et républicain FDR ne se comprennent pas par ailleurs la révolution démocratique euh, d'Abdul Ousmane, que vous connaissez, s'est retiré du Front patriotique et républicain, structure créée il y a quelques mois à Niamey et qui regroupait le cadre et des partis politiques tels que le MPN Kishinkasa d'Ibrahim Yakuba et des MDR Tarna de Abdul euh, de Roubaïd. Voilà, Nima aussi, non euh, Nima, RSV, oui, effectivement. Alors, euh, Gare, Garé, puisque vous étiez le dernier à avoir le micro, quelles peuvent être les conséquences de ces incompréhensions en ce moment précis où les défis, en tout cas, sont nombreux sur le front social, mais aussi au plan politique ah non, <laughs> les conséquences, c'est que c'est la déliquescence pratiquement des différents fronts de l'opposition. C'est-à-dire que ça se mange partout. Au niveau du FRDDR, on se mange. Au niveau du FPR, on se mange. Tout le monde est en train de quitter. <laughs> Maintenant, on donne le, poste de porte-parole au, au RSV Nima, qui est un parti microscopique vraiment de la scène, de la scène politique nationale. Bon, <laughs> maintenant, est-ce que le RCV Nima va rester ou quand il va quitter, qu'est-ce qui va se passer À qui on va la donner hein. Donc les gens sont en train de s'interroger, mais on constate avec effroi, <laughs> parce que ce que j'ai dit, <laughs> ce que c'est important une opposition dans un pays. Mais ce que je vois, le comportement de ces opposants-là, euh, il y en a qui vont euh, rapidement à la mangeoire, ils ont leur raison n'est-ce pas Mais et, vraiment, il y a une sorte de délabrement de l'opposition qui fait que. Mais là, nous parlons des acteurs de la société civile. Non, vous savez, c'est que je toujours dont certains leaders résistent. toujours à, dit. À, s'associer avec des partis. politiques. Vous savez, Alassane, je l'ai toujours dit. Hmm. l'association entre la société civile et les partis politiques peut se comprendre dans un seul cas. Hmm. Quand l'édifice démocratique est en péril, par exemple, quand euh, on constate que euh, le président qui a fait deux mandats veut faire un troisième mandat. Là, la démocratie, l'alternance politique établie par les textes de la République est en péril. En ce moment-là, on peut comprendre l'association. Quand des militaires prennent le pouvoir, les partis politiques, s'ils ne sont pas dissous, peuvent s'associer à la société civile pour exiger le retour de la démocratie. Mais pour vous, il n'y a pas de raison ah actuellement aucune raison qui, euh, pour moi, justifierait l'association entre acteurs pour moi, La société civile fait son combat à part les partis politiques font leur combat à part. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame de gens. C'est-à-dire que chacun a son rôle. Les partis politiques de l'opposition ont leur rôle, la société civile a son rôle, mais il ne faut pas se mélanger. Ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on se mélange, non. C'était une erreur C'était une erreur, parce que regardez ce qui s'est passé, parce que les gens disent Ah oui, le PND ça fait ça. Mais le PND ça fait ça au moment où le président Tanja a démontré qu'il voulait son bonus de 3 ans. Hmm. Un bonus assez ridicule, bien sûr. Mais là, les partis politiques sont dit non, mais attention, il a fait deux mandats et puis il veut un bonus de trois ans, on ne va pas accepter. Et là, on peut comprendre l'alliance entre la société civile et les partis politiques. Issa Mormadou, c'est votre point de vue Non, mais déjà je, voudrais le fondement. je, peux, je voudrais ajouter un peu. On sait quand même que à, l'époque où il y a eu cette association, dans ce Aussi, quand l'état du droit est en péril, on peut se manifester, on peut se regrouper pour le combattre. fait son rôle. Oui, oui, effectivement, mais c'est que c'est la conquête du pouvoir qui les différencie, mhm. parce que on ne peut pas être être acteur de la société civile, c'est du bénévolat, mm. c'est une action citoyenne qui euh, s'inscrit dans dans la défense des, libertés fondamentales et certains droits et devoirs. Mais voilà cette situation. Moi, pour le cadre, pour le moment, euh, quand j'avais eu euh, la lettre de contestation par rapport à la nomination du président du FDR. J'ai cherché l'information, j'ai creusé pour savoir de quoi il s'agit, mais le cadre de concertation en tant que tel a dit n'est pas une seule fois participé ni à la création de ce fonds. Les gens qui étaient là-bas ont été à leur nom, ils ont usurpé leur... On se rappelle qu'en ce moment, oui, effectivement, les leaders, étaient, encore en prison. Les leaders étaient en prison et celui qui assurait la permanence du secrétariat, c'était Kakatouda. Et il m'a confirmé que les gens qui ont participé ont participé à leur propre nom. Seulement, ils ont, mm. seulement ils ont usurpé le nom du cadre de concertation et d'action citoyenne. Par rapport au retrait de, la RD et du cadre, moi je me rappelle que le, forum euh, qu'on a eu à faire ici, juste le lendemain de la fête de Tabaski, le premier vendredi, mm. on avait parlé de ça. Moi je disais que c'est le front le plus hétérogène que l'histoire. Tu étais le cadre, non Oui, effectivement, j'étais. Euh, <laughs> oui, effectivement. ça, c'est. <laughs> Connaissant un peu, Comment c'est les fondements Oui. <laughs> Comment les fondements, le, manifeste de la révolution mm-hmm. démocratique a été conçu, les sacrifices que les gens ont consentis pour mettre en place euh, cette structure et venir s'acoquiner avec un certain Ibrahim Yacouba, le nettoyeur de la Renaissance Acte 1, qui a concassé y compris société civile, uh-huh. y compris la presse se retrouver dans un même cadre pour dire que non, nous voulons un changement démocratique, euh, euh, le renouvellement, de, renouvellement de, la classe euh, générationnelle. Alors, de qui on se moque C'est une insulte même pour notre intelligence. C'est pour cela, moi, je m'attendais à bien à l'éclosion. Aujourd'hui, tout le monde est en train de voir la question pourquoi les gens quittent Ibrahim Yakuba C'est ça. Et pourquoi les gens quittent Ibrahim Yakuba Parce qu'il faut qu'on se pose cette question. C'est quoi la réponse pour toi La réponse pour moi, c'est qu'elle est très large Ibrahim Yakuba, on se souvient très bien qu'il est aujourd'hui le maître. On va dire le, parti, le MPN Kishinkasa. Ibrahim, mais plutôt que de parler de personne. Personne ne peut le contester. ne parle plus MPN. oui, personne ne peut le contester, euh, contester dans ce parti. Quand il pose ses décisions, Ibrahim Yakuba c'est le maître du jeu aller-retour en politique au Niger. Il a été chassé à, à 13 heures. Les Nigériens ont eu pitié de lui. les gens ont voté parce que les Nigériens n'aiment pas l'injustice en 2016 pour lui. Mhm. Il s'est, retrouvé avec ses lieutenants pour faire une déclaration de soutien au président encore en 2016 ici à, Africa Hall, pas au siège de, euh, de la direction de campagne. C'est ce même monsieur aujourd'hui qui revient à travers un front pour recevoir euh, quoi Qui La victimisation là, c'est fini aujourd'hui. c'est pour cela, pour terminer, j'ai dit que Mohamed Issoufou, là où moi, j'ai dit que c'est bien, c'est même une opportunité pour nous les Nigériens parce qu'il nous a éduqués politiquement. Il nous a montré qui sont ces réels politiciens nigériens, que ce soit acteurs de la société civile, ceux qui les critiquent, avec des mots outrageurs, des mots insultants. Hum. Aujourd'hui, se retrouve avec, eux. Donc, c'est pour dire qu'il a éduqué le peuple. C'est pour ça les prochaines élections, là, en 2021, je vous assure, l'électeur nigérien, c'est serait l'électeur le plus averti parce que... Vous êtes sûr que le Nigeria... Non, le Nigeria, il a compris aujourd'hui. Bien. La mangeoire, là, il faut aller. mais les urnes vont départager des les vrais Nigériens. ceux qui veulent usurper la confiance des Nigériens. Euh, Rufai Dandoua, à peine né, voici que le Front patriotique perd deux leaders, à savoir Adel Roubaït et maintenant Ousmane Abdelmoumouni. Pourquoi, selon vous, et quel avenir pour ce FPR qui apparemment ne compte plus que sur le MPN Kinshasa Hmm, déjà, je suis en contradiction avec les, d'abord la dernière partie de, de Isaac, oui, quand il disait que le, lecteur nigérien est très averti. En 2021. Ah, même en 2050, je ne suis pas d'accord. Je connais, on, connaît. Deuxième chose, je ne suis pas d'accord. Euh, Gary était trop restrictif lorsqu'il a dit juste les, les, occasions où la société civile pouvait, euh, pouvait s'associer. Voilà, euh, coup d'État ou non. Ou de la démocratie. ça, a toujours été comme ça. Hmm. Et moi, je pense que lorsque lorsqu'on peut sauver quelque chose, on peut, pour la circonstance, ce qui s'est passé par exemple avant-hier en France, où les partis politiques, les syndicats, les associations, même des élèves et étudiants étaient sortis en même temps dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord avec les mesures que le gouvernement et eh, Édouard Philippe est en train de prendre. Là, on le fait. Maintenant, <clears throat> chacun retourne eh, de son côté. On, ne vient pas pour s'associer ensemble. J'ai toujours combattu cela. Moi, j'ai toujours dit que... Mais comment vous expliquez cette euh, dislocation En tout cas, c'est euh, ces petites maisons. Déjà, il faut que la nature de, de ces alliances, comment elles se sont créées. Moi déjà, et eh, Issa et là, je leur avais... Pour la société civile d'abord. Oui, je leur avais toujours dit lorsque vous avez créé leur cadre. J'ai toujours et eh, eh, combat Non, il est, là, hein. j'ai toujours combattu ce cadre. Je n'ai jamais cru en Abdoumouni quand il était revenu de, euh, la, de la Belgique connaissance toute son histoire, toute l'histoire qui, qui, qui, entache le monsieur. Je n'ai jamais cru à lui. Il y avait mes amis, Issa, Abagana, il y avait mon petit frère et qui était assemblé. Je leur avais toujours dit, je ne crois je n'avais cru à aucun moment. Tout comme à aucun moment je n'avais cru à l'histoire du, du, du, MPN ça, à l'histoire de la victimisation de Ibrahim, à, son histoire de, de, revenir pour dire aujourd'hui qu'il est l'opposant principal. Aujourd'hui, si vous voulez, quoi qu'on dise, tous, tout, le monde l'a évoqué, ces gens-là qui ont insulté Issoufou, père et mère, fils, famille, tous. Aujourd'hui, moi, la seule chose qui peut me faire réfléchir dans ce pays, c'est le jour où je verrai, par exemple, mon Ousmane revenir avec et il se, fout pour dire aujourd'hui on va gérer le gouvernement. Mais que ce soit Séni, que ce soit Ibrahim qui peut partir demain avec ça. Ils sont, ils sont tous passés. Et, le Nigérien, hein. et le Nigérien ou la classe politique nigérienne, c'est des gens qui ne peuvent pas durer de la souffrance. Dans une position, vous voulez. moi, je, me rappelle. Ne pas la galère. Je me rappelle, j'ai fait plusieurs interviews à, ces hommes politiques. Je me rappelle un moment quand Ben Omar, quand tu vois ça, chemise, tu, ne vas pas dire qu'il a été ministre. Même Séné Omar, je me rappelle, Séné, c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui s'habillent le plus de la classe politique. Mais à un certain moment, ça ne marchait pas. Quand tu voyais ces basins, ça mais il ne pouvait pas supporter ces gens-là. Donc, il fallait retourner. C'est pour ça que je vous dis. mais, disait bah, que les Nigériens ont compris. Est-ce que vous, vous dites que vous n'êtes pas d'accord Pourquoi La politique, c'est la dignité. Voilà, il le faut la faire dans la dignité, quoi que ça puisse te coûter. C'est pour ça que je vous dis, on a beau critiquer par exemple le moment Ousmane, jusqu'à aujourd'hui, il est resté dans la dignité. On ne va pas dire qu'il est pauvre, non, il n'est pas pauvre, mais il est resté quand même dans cette dignité. Et c'est ça que les gens n'ont pas. Et ah non, vous savez les choses. Est-ce que les Nigériens ont compris la politique Comprendre quoi celui qui doit comprendre, c'est la jeunesse nigérienne. La jeunesse nigérienne ne comprend rien. Pourquoi Parce que la jeunesse nigérienne a un objectif. C'est quoi D'abord, et, construire une maison rapidement, et se marier avoir un véhicule. Et lorsque tu n'as pas les moyens pour l'avoir, il faut court-circuiter. Et c'est pour ça que vous voyez les gens changer de, chemise d'un jour à l'autre. Les, C'est le tour de gare. S'il vous plaît, c'est le tour. et ça, tu as déjà parlé, c'est le tour de gare. à C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire de façon très simple. Je suis pas sûr. dernier sujet. je suis pas sûr que le comportement de Momo Ousmane a quelque chose à voir avec la dignité il y a quand même quelque chose, une haine viscérale entre lui, enfin qu'il a contre le, le, le, le président Issoufou. Il y a ça aussi entre les autres. c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est complètement irrationnel le comportement de Momo Ce n'est pas quelque chose de. Non, mais quand même, lui, ce que je veux dire. Il a non, mais, parmi tous. attendez. on a vu des gens qui ont dit dans des, slogans. qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Issoufou Il y a des gens qui ont dit dans ce pays, si vous aimez le Niger, il faut voter Issoufou. En 2011. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils n'aiment pas le Niger ou bien quoi Ils ont dit un slogan votez Issoufou si vous aimez le Niger. je vais te dire quelque chose c'est très simple. Maman Ousmane, avant, quand même, il, ne voulait même pas les attributs de la République. Aujourd'hui, Maman Ousmane roule dans une voiture PRN. Mais c'est une nation Non, non, non, avant, non, non, avant il, ne voulait même pas. il peut pas vouloir ça veut dire que, Non, ça veut dire que ça change. Ce que je veux faire comprendre. Nous n'avons pas, nous n'avons pas le temps de parler d'une seule personne. En 10 secondes, ce que je veux vous faire comprendre, euh, c'est que pour qu'un bloc soit monolithique et qu'il soit engagé, solide dans un combat, il faut que les gens croient aux idéaux. Le problème de ces regroupements-là, ce que les gens font des calculs. Les partis politiques font des calculs. Il n'y a pas d'idéaux qui tiennent. non, il n'y en a pas. Bien. Alors que sous, sous, sous c'était le Tazarchik, anti-Tazarchik. Tout le monde s'accordait sur ça. Alors, en sport, nous allons passer au dernier sujet, sujet sport. L'équipe nationale de football, je le disais, du Niger, le MENA national, est partie en Tunisie cette semaine avec ses, ses 23 joueurs elle affrontera l'équipe tunisienne dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2019 Prévu se tenir au Cameroun. Fini les mouvements du maire quand on sait qu'une polémique est née au lendemain de leur défaite en Égypte. Les joueurs ont dénoncé leurs conditions de vie et menacé de ne plus jouer sous les maillots de l'équipe nationale. Finalement, une solution semble être trouvée. Nous allons commencer par le spécialiste <laughs> du sport, Rufai Dandoua. Alors, Rufai, de quelle information disposez-vous sur les conditions dans lesquelles le MENA est finalement parti en Tunisie quand il était désintéressé, ah oui, on, on, on peut, on, peut, dire que ça va, puisque le président de la République s'est impliqué personnellement pour trouver une solution au problème qui s'était posé, le problème de primes et le problème de, euh, du transport. Je les ai vus sur les... Il y avait beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Apparemment, tout, tout, semble... Euh, Est-ce que le avait à ce que Kassou Mokhtar ait mis vraiment les sous <laughs> Il a respecté les, Apparemment, tout, tout semble... Euh, euh, sauf que maintenant, ils se sont fait harakiri eux-mêmes. Quoi En quoi faisant Oui, ils, ont crié sur tous les toits qu'ils ne mangeaient, qu'ils ne mangeaient que de dungouris et, de, l'eau euh, parce qu'ils n'avaient pas de primes. Aujourd'hui, on les a mis dans leurs droits. On a, on a, payé euh, toutes les primes. Mhm. Maintenant, à eux de faire leurs preuves. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ils ont une obligation de résultat. Alors, est-ce que justement, vous pensez que des leçons ont été tirées de la dernière expérience qu'on aura un, bon résultat. C'est que je suis en Vous savez, moi, si, si, si, si j'étais à la, si j'étais une autorité dans ce pays, les, certains joueurs qui sont à la base de cette vidéo-là, surtout les caïds, ne reviendraient même pas en équipe nationale. Peut-être qu'on va leur donner leur, leur prime de match, c'est un arrière, mais ils ne reviendraient pas. Mais aujourd'hui, comme je le disais, ils sont faits à Rakiri, ils sont tous partis et là-bas ils sont sur le... Ça veut dire qu'ils ont l'obligation de résultat. Maintenant, ils ne, mangent plus. Déjà, à l'époque, vous vous rappelez, le président de la fédération a dit que c'est faux, ils ne mangeaient pas du haricot, ils ne buvaient pas de l'eau, ils étaient eh, bien logés et nourris ici même au centre de mmh. formation. Maintenant, ils ont tout, ils ont, ils, sont, ils, sont, ils ont voyagé dans de bonnes conditions. Maintenant, à eux de montrer que... Eh, les conditions eh, peuvent permettre très bien d'avoir un, résultat. Euh, Garé Amadou Non, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre. Ce n'est pas, eh, c'est pas parce que maintenant les primes ont commencé à être versées qu'il faut s'attendre à ce qui est... C'est quand même la Tunisie. Contre la Tunisie. Non, quand même, non, mais enfin... ce que je veux dire, c'est que mm-hmm. bon, <laughs> il faut qu'on s'attende à ce que soit ils gagnent, mais ils peuvent être battus ça serait même compliqué parce que la Tunisie, déjà 45 000 billets ont été distribués aux supporters. 45 000 pour qu'ils viennent au stade. Donc déjà, moi pour moi, ils sont partis pour perdre le match. Et moi, je serais indulgent à l'heure Parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est-à-dire que eh, maintenant qu'on a commencé à payer leurs primes, on est en train de leur remonter le moral. Et c'est un processus qui va prendre du temps pour que quand, quand le processus, quand les joueurs vont se rendre compte qu'ils sont dans une situation assez confortable, mhm. ça va mieux amener euh, les, les, joueurs à faire plus preuve de trucs, et euh, euh, de, de, en tout cas sur le terrain, et puis amener des résultats. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit. Il ne faut pas que les gens soient étonnés qu'ils soient battus. Il faut que les gens soient un peu indulgents, parce que quand même, c'est des grosses équipes qu'ils affrontent. Ils ont affronté la Tunisie et l'Égypte. L'Égypte, c'est pas n'importe qui. C'est l'équipe de, mhm. l'équipe de Mohamed Salah, c'est pas n'importe qui. Ils ont été battus ils affrontent la Tunisie. Ce n'est pas une petite équipe. Il n'y a pas match entre les deux. Vraiment, la, Tunisie est vraiment très au-dessus du, MENA. Et sur les, comment on appelle ça, sur les, palettes, la Tunisie va, va, battre le, MENA, n'est-ce pas Sauf un miracle, bien sûr. Alors, Issa est-ce que vous êtes d'accord que, en tout cas, euh, même si euh, ils sont mis dans les conditions, c'est contre la Tunisie, oh, on peut s'attendre peut-être. Oui, mais quand même, il ne faut pas qu'ils nous reviennent avec six buts. Hein. Euh, non, il faut, il faut qu'il joue concrètement. Mais moi, je suis sûr, il y a un point que Rufai a soulevé. Quand j'ai vu la liste des joueurs convoqués, j'étais surpris qu'il y a d'autres qui étaient à la base parce que la vidéo, moi, jusque-là, j'arrive pas vraiment à oublier cette vidéo sur les, balancée sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que j'ai vraiment apprécié la mise en garde de Rémi Ngono, mmh. le chroniqueur de RFI, mmh. par rapport à cela. Mmh. Parce que vous, vous avez, c'est une honte. Au lieu de rentrer comme ça en cachette, votre problème, vous pouvez le régler. Aujourd'hui, on doit vraiment balayer certains joueurs parce que de toutes les façons, ils ne produisent rien mhm. pour l'équipe nationale. On C'est une prise en charge qu'on est en train de leur donner. C'est de l'humanitaire. Il faut les laisser partir. Il y a la crème. Le football nigérien aujourd'hui, on peut le faire. J'ai vu des pays qui, ont, qui font parler d'eux sur le plan international qu'ils ont fait un travail. On peut le faire aussi. Mais ce match, euh, il faut le dire, moi, je ne peux pas dire que forcément on va, on va, on va perdre. Mais on a gagné l'Égypte une fois ici. Oui, au Nigeria. oui. Ben oui. Oui, comment oui, oui, oui, euh, mais comment Oui, mais Rufai, mais quand même, il n'est pas interdit de rêver. De rêver. oui, rappelez-moi, je suis, je suis entièrement d'accord avec ce que Gary a dit. Hmm. Moi, je pensais que ma première intention, c'était pour dire que ce qu'ils ont fait, c'est réglé maintenant. C'est normal qu'on dise qu'ils se sont fait harakiri parce que tout est réglé. Mais Gary a raison. On, a, été, on a hérité d'une poule. Il faut avoir les pieds sur oh, terre, il dit. On a, déjà, on a hérité d'une poule de la mort. L'Égypte, la, la, Tunisie, qui, qui sortent du, du, mondial. Ça, c'est déjà très Mhm. Et en plus, même leur vécu, c'est incroyable. L'Égypte, c'est six Coupes d'Afrique. Mhm. de, autre chose encore, c'est que quand vous voyez la liste des de joueurs du MENA, et aujourd'hui, la star du MENA, c'est qui C'est Mazou. Mazou, depuis que la saison a commencé, il a joué 0 minutes. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de compétition. Et c'est lui notre star. Aujourd'hui, sur qui on va compter Quand vous voyez des joueurs qui ont 40 ans, 42 ans, qui sont là encore, il y a des joueurs qui sont sans club. Puisque moi, je suis dans un, dans, un groupe de débat. tous les acteurs du, sport nigérien ont, un débat de ça. On ne peut pas prétendre avoir quelque chose. Prenez un pays comme la Mauritanie. Aujourd'hui, décadé jusqu'au senior et les filles du cadet jusqu'au senior, ils ont fait un plan de développement du football et ça commence à marcher. Et sur la manque au Niger ça, ça manque. Euh, donc, c'est pour, ça que, pour ça que je pense que vraiment, moi, je ne m'attends pas à, revenir avec 3 euros ou 4 euros. Ça peut encore être 6 euros, ça ne m'étonnerait pas. Mais ce que je pense, c'est qu'au retour, il faut qu'il y ait ménage au sein de la famille, ménage pour que des joueurs qui n'aiment pas de club, qui ne méritent pas de venir, et l'entraîneur qui n'est pas là, à qui on donne une sélection, il vient, il se retrouve avec les joueurs, il faut aussi qu'il arrête. vous, vous savez ce que je dis en matière de sport, les statistiques sont implacables, impitoyables. Hmm. Il y a un détail quand même qui est important. Lequel Le MENA ne gagne pas à l'extérieur. Oh, à domicile. Bon, à domicile, on a gagné <laughs> l'Égypte. Ben, une fois. Ah, oui, mais enfin. il va finir. Mais, mais, mais, non, c'est un détail implacable. Le MENA ne gagne pas À l'extérieur, ça c'est. Il faut que les gens aient les pieds sur terre. Hmm. Le MENA s'en va en Tunisie jouer, je vous dis 45. Et la raison, c'est quoi, rapidement Bon, la raison, c'est que je ne sais pas. il faut quand même que ce que Rufai dit est, vrai. Les joueurs qui sont inefficaces là, depuis un certain temps, il est grand temps qu'on les laisse sur la touche parce que on peut pas faire de la charité. non, on ne fait pas de la charité de le football. On On fait pas de la charité. Il faut laisser ceux qui ne peuvent pas. Il y a pour je suis d'un tel club alors qu'il n'a même pas de club. et On les sélectionne, le on leur donne l'argent, c'est tout. Ça ne se fait pas comme ça. Bien, c'est ici que prend fin le forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Nos invités sont Issamarou Oumadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré, Garé Madou, journaliste au journal La Nation, Rufai Dandoua, journaliste Sportif. Présentation à Alassane à Mamadou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h15 pour les forums à Hausa et en Zarma sur le thème Le mariage des enfants au Niger, cadre juridique et réalité. Bonsoir.